le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam. le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité, c'est d'abord l'attaque contre une opposition des forces armées nigériennes à Douki, dans la commune de Difa, par des éléments du groupe Boko Haram. Sur le plan sanitaire, nous parlerons de la progression du nombre de cas confirmés de la maladie du Covid-19 à l'intérieur du pays, notamment à Zender. L'actualité, c'est aussi la célébration dimanche 3 mai dernier au Niger de la Journée internationale de la liberté de la presse. Nous en parlerons avec nos invités. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Gary Amadou du quotidien La Nation. Gary Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et Roufaï Dandoua, journaliste indépendant. Roufaï Dandoua, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. deux soldats morts, trois blessés et du matériel calciné. C'est le bilan officiel de l'attaque dimanche 3 mai par les éléments de Boko Haram et qui visait le camp des forces de défense et de sécurité situé au pont d'Ouki sur les eaux de la Komadougou commune de Difa. Garé Amadou, avez-vous d'autres informations sur cette nouvelle attaque terroriste qui a malheureusement endeuillé des familles au Niger Oui, effectivement. D'abord sur le même de l'attaque. Vous savez, quelques heures après cette attaque-là, l'État islamique à son habitude, puisqu'il filme les attaques qu'il mène. Quand les attaques sont victorieuses, bon, il se donne vraiment le temps de faire un montage et puis de, partager la vidéo. J'ai malheureusement, parce que c'est pas une vidéo qu'on aime regarder, j'ai vu cette vidéo-là dans laquelle on voit effectivement les combattants de Boko Haram déambuler dans le camp, n'est-ce pas, euh, ramasser des armes, tout ce qu'ils peuvent trouver. Mais ce qui nous a étonné, c'est le fait que apparemment cette attaque-là a été très facile. Et c'est étonnant parce que le pont de Douti est un pont quand même assez stratégique pour ceux qui connaissent la, zone. C'est un pont qui sort de frontière entre le et le Nigeria et qui devait être suffisamment gardé et la vigilance devait être celle de tous les instants. Et quand on voit la façon dont les choses sont passées, d'abord deux morts, côté nigérien, on se demande où sont les autres combattants. Les terroristes, c'est chaque fois le même procédé et apparemment nos militaires ne prennent pas la leçon. Ils attaquent au moment des prières, la prière de l'homme, au moment des recul du jeûne. Est-ce qu'ils s'attendent à une attaque On doit être vigilant, on doit être sur une positions. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le point de doute, c'est c'est extrêmement stratégique. Franchement, comme me dites, et vous savez, le comité du ministère de la Défense, qu'est-ce qu'il dit le comité du ministère de la Défense dit que oui, l'ennemi est venu, on a déclaré de morts, du matériel calciné. Bien sûr, il ne dit pas que du matériel a été emporté. Mais le plus choquant, c'est que apparemment, il n'y a pas eu de poursuite. Et surtout, ce qui est encore plus choquant, c'est que dans la même journée, à 13 h dans un autre secteur, il y a eu une attaque des éléments terroristes. Heureusement, ceux-là qui ont attaqué en coordination avec les forces nigériennes, on a pu les neutraliser 50 d'entre eux. Mais ceux qui ont attaqué le pôle petit, c'est malheureux, mais hein, ces gens-là Hassan Boukar, cette attaque intervient quelques semaines après les lourdes pertes enregistrées par Boko Haram dans la région du lac Tchad. C'était au cours d'une opération conjointement menée par les forces armées nigériennes, tchadiennes et nigérianes dans cette localité. Comment expliquer cette nouvelle attaque Bonsoir, Merci beaucoup aux auditeurs. Je pense que ça, ça montre que malgré les attaques euh, qu'ils ont subi, ces, jeunes gens de Boko Haram sont encore actifs, ils sont là, et l'ont démontré en tentant justement de prendre ce pont-là qui sépare l'outil de, de, Difa. Bon, garer le signale, il y a eu aussi une autre attaque, bon, on dit que c'est repoussé et tout ça, mais ça montre qu'ils sont encore là. Euh, il y a eu beaucoup de communication autour de euh, l'intervention du président tchadien et de La colère de Bouma voilà, dans le, dans le lit de la Tchad, euh, il y a eu ces interventions par la suite, mais ça montre encore que sont toujours actifs. Il y a peut-être des petites unités qui peuvent, euh, très mobiles, peuvent aller par-ci par-là poser encore des actes. Alors quelquefois, si réellement ils ont subi des, des, attaques, est-ce que cette intervention d'outils vise peut-être à, récupérer des armes, à récupérer du matériel militaire Bon, ça rajoute euh, évidemment à toutes les questions que Gare posait. On peut se demander s'il les faisait pour essayer un peu de s'équiper, de, de, récupérer des armes auprès des forces armées, puisque Malheureusement, euh, quand même, ce groupe se ravitaillent aussi auprès des armées. Euh, on peut toujours dire qui les ravitaille, où est-ce qu'ils gagnent les armes, mais on sait aussi qu'une partie des armes qui sont utilisées par les États pour équiper nos, fans finissent chez ces groupes rebelles dès qu'ils posent une attaque, ils repartent avec beaucoup de matériel. Là, euh, Gare fait allusion justement à une vidéo de propagande qui a été diffusée par ces gens. Alors bon, Sauf une vidéo de propagande, ça reste quand même une vidéo de propagande. On a choisi qu'est-ce qu'elle veut montrer, on a fait tout un montage et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a précisément, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas dans cette vidéo. Mais ça montre des gens qui viennent euh, tranquilles, qui se ravitaillent, qui prennent des véhicules, qui prennent du matériel et qui s'en vont. Donc oui, il y a eu toutes ces attaques-là contre le groupe Boko Haram, mais euh, ça montre que ce groupe reste encore actif. Je pense qu'avant ça, certains médias avaient annoncé aussi des tentatives de recrutement euh, de, Boko Haram euh, dans cette zone. Ça veut dire euh, voilà, qu'ils savent se réorganiser, même s'ils subissent une attaque, ils peuvent se réorganiser et continuer à attaquer. Donc là, ce pont, c'est quand même une des zones qui a été attaquée en 2015, lorsque Boko Haram était encore à euh, son beaucoup, Voilà, beaucoup plus puissant. Et c'est comme ça qu'ils ont tenté de prendre des DIFA à plusieurs reprises à partir de ce point-là, puisque là, la localité de Douchi et Difa sont juste séparées par la, la Komadougou. Donc euh, là, ils reviennent vers ce pont. Donc c'est un point stratégique. peut qu'ils cherchent à prendre vraiment à maîtriser ce pont. Maintenant, est-ce que ça annonce des attaques d'envergure sur la zone euh, Je n'en sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, pour moi, les attaques récentes montrent que le groupe Boko Haram est encore là et sont capables de faire du mal. Je pense qu'il faut être plus vigilant, il faut, il faut se préparer, euh, davantage se préparer, parce que là, ce qu'on vit aujourd'hui, encore une fois, c'est eux qui imposent les règles du jeu. Ils font une attaque, parfois une poursuite, après on oublie, puis ils reviennent à la charge peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la bonne stratégie. En tout cas, à mon avis, c'est d'abord d'être vigilant. Il faut peut-être euh, réfléchir à des stratégies comme qui, qui vaut cette sortie de débit réellement sur le terrain. À mon avis, il faut que les États soient résolus à aller combattre Boko Haram là où Il ne faut pas attendre chaque fois qu'ils viennent. C'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que c'est Boko Haram qui impose les règles. C'est-à-dire euh, tout le monde attend, ils viennent, ils tuent des gens, ils pillent, ils s'en vont. Il faut, par exemple, la tentative euh, faite par le président tchadien montre quelque part qu'on peut les affaiblir dans leur propre fief, là où ils sont. Alors, quatre armées coalisées, à mon avis, euh, le lac Tchad est peut-être vaste comme un territoire, mais en même temps, à mon avis, ils ont les moyens d'affaiblir ou à défaut de les confiner carrément dans, ce, dans cet espace-là. Quoi. Donc euh, je pense qu'il faut peut-être trouver la, la, bonne formule, mais en tout cas il faut au moins s'être vigilant parce que le fait qu'ils cherchent à prendre le euh, pont en s'attaquant aux fans, bon, ça peut cacher d'autres intentions du groupe terroriste selon le même communiqué du ministère de la Défense nationale, au cours euh, de cette euh, même journée euh, de dimanche, aux environs de 13 heures, une autre colonne de 10 véhicules ennemis en provenance de Toumbon foulani une localité située à 24 km au nord-est de Bosso, a été interceptée selon le ministère de la Défense. Il en a résulté la neutralisation de 50 terroristes faut-il retenir globalement au sujet euh, de ces attaques récurrentes dans cette zone euh, de défense Justement, on, comprend aisément que la journée de, ce jour-là a, été, oui, a été très mouvementée, de part et d'autre. Euh, d'un côté, nos forces de défense et de sécurité qui, qui ont mis hors état de nuire, on pensait que c'est de la dynamique de ce qui a été fait depuis un certain temps. Et, et tout d'un coup, le soir, on, se rend compte que eh, et ce n'est plus le cas. Je pense que quelque part, on a, on a trop dormi sur nos lauriers. On a pensé que tout est tout est fini ou presque, avec aussi l'attaque euh, de l'armée tchadienne. et tout le tapage médiatique qui a été fait. Je pense que ça aussi nous a fait quelque part euh, pas du bien. Euh, parce qu'on avait cru que c'était fini, alors que Boko Haram, y avait eu même beaucoup d'alertes qu'il était en train de se réorganiser. Peut-être qu'on n'avait pas pris cette alerte au, sérieux, Et, tout d'un coup, ils ont fait, ils ont surpris les, les FDS euh, nigériennes et ils ont fait cette attaque et, au cours de laquelle il y a beaucoup de, zones d'ombre. On ne s'est pas garé à poser plein, plein d'interrogations. On ne sait pas où sont les forces de défense et de sécurité nigériennes, où elles étaient, comment elles ont réagi et à la fin, elles étaient où on ne sait pratiquement rien en dehors des de deux ou trois soldats qui ont été, eh, qu'on a dit, euh, avoir tués. Deux soldats tués, trois blessés. Je pense que euh, il faut il faut faire très attention pour ne pas revenir à ce qui a été fait avant avant la réorganisation de de l'armée. On nous prend toujours par surprise et en fin de compte c'est toujours nous qui payons les les pots cassés. L'attaque, euh, ce qui a été fait, comme l'a dit Abba par euh, le Tchad, on aurait dû continuer. À mon avis, ça aurait dû être organisé par les armées du Niger, par les armées du Nigeria, et du Cameroun et du Tchad on, les pousse dans leur dernier retranchement. Si c'est seulement le Tchad qui va le faire, qui va venir sur le terrain les pousser, ça veut dire que soit on les tue, soit on les envoie sur d'autres territoires. Ça peut être le Niger ou le Nigeria et ils vont trouver des refuges quelque part pour se cacher. Et sûrement, ce sont ces mêmes personnes, ce sont ces mêmes eh, bandits qui sont revenus et aujourd'hui ils ont fait ces attaques. Qui sait encore demain s'ils ne vont pas faire la même chose parce que on a dit que ça a été fait au moment de la rupture de John. Euh, on suppose que presque tous les militaires nigériens sont, ont fait de jeunes et c'était la rupture, donc ils ont déposé les armes. Ils étaient vraiment dans un moment de relaxation avant, c'était à 4h, 5h du matin qu'on les prenait de cours. Cette fois-ci, c'est pendant la rupture. Qui sait si demain encore, ça ne va pas être la même chose. Donc, on doit vraiment être extrêmement vigilant, comme on l'a été récemment ces, derniers temps, pour éviter que cela euh, n'advienne à nouveau. Parce que, eh, comme l'a dit Abba, au-delà d'autres financements qu'ils ont ailleurs, c'est avec aussi les armements des armées nationales eh, de, de nos pays qu'ils se ravitaillent et ils s'arment comme ça et, et, qu'ils nous fassent du mal. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant, qu'on fasse attention, que qu'on s'assied sur la même table, qu'on n'attende plus beaucoup Haram, parce que comme l'a dit Abbas, c'est eux qui dictent la loi bien qu'il soit euh, affaibli par l'attaque de, l'armée du Tchad. Aujourd'hui encore, Boko Haram a beaucoup de capacités de nuisance et malgré tout cela, ils peuvent venir, ils peuvent attaquer, peuvent attaquer où ils veulent, quand ils veulent et imposer le rythme. Donc c'est à ça qu'il faut maintenant, à, ça qu'il faut s'asseoir, discuter, voir comment on va élaborer une stratégie et comment on va aller les attaquer en même temps pour finir avec eux. Et même si ce n'est pas pour tout de suite, mais et qu'on élabore une stratégie qui va porter ses fruits de l'avenir. Hassan Boukara, fin avril, le ministre nigérien de la Défense, Issoufou Katambe, avait déclaré à l'AFP, à l'agence France Presse, que les opérations militaires étaient en cours dans la zone euh, du lac Tchad. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché Ça montre que finalement, euh, l'objectif n'ont pas réussi, puisque s'il y a des opérations militaires, c'est nécessairement pour euh, anéantir l'ennemi, c'est pour l'affaiblir voilà, mais alors euh, ça, revient, ça montre qu'ils n'ont pas réussi à totalement neutraliser l'ennemi. Euh, je pense que ces gens-là, ils connaissent le terrain. Boko Haram, ça fait maintenant 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans cette zone. Ils maîtrisent le terrain. Certains sont des natifs de, de la région, du lac Tchad. Ils connaissent bien le terrain. Euh, ils sont dans des îles, dans des zones difficiles d'accès parfois pour des armées. Ils connaissent bien le, terrain. Et donc, ils ont une capacité de, résilience, comme on le dit. Euh, les armées peuvent faire des opérations. C'est-à-dire que s'il y a euh, des très bons renseignements. On peut cibler quelques bases de Boko Haram dans les îles du lac Tchad, essayer de bombarder ces zones, faire des opérations choc contre le groupe Boko Haram. Mais euh, ils sont dans un vaste territoire et ils sont aussi bien renseignés. C'est apparemment ce que je comprends. Ils sont bien renseignés et euh, ils savent s'adapter. Donc, euh, il y a eu plusieurs opérations. Ce n'est pas, pas seulement en avril. Mais avant, il y, avait, il y a quand même cette patrie quadripartite avec le Cameroun, le Tchad et le Nigeria qui est presque permanente dans cette zone. Malgré tout, on voit que ces gens ont le moyen de contourner euh, cette patrie, de venir poser des actes, que ce soit au Tchad, au Niger ou au Nigeria. Il y a beaucoup de débats sur euh, la volonté des FDS à aller vraiment neutraliser. Est-ce que ce sont les États qui ne veulent pas s'engager sur euh, le combat final, entre guillemets, si je peux le dire est-ce qu'il euh, y a d'autres problèmes Mais les gens ont l'impression qu'il n'y a pas un engagement très fort au-delà du discours, parce que dans les discours, euh, le discours quand même a toujours été fort. Le président a même dit que euh, le Niger sera le, le Tout ça, mais dans la réalité, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire face à ce groupe terroriste. Rapidement, en, 10, secondes. Je me demande aussi euh, si ce qu'avait fait le Tchad n'a pas fait plus de mal que de bien pour le Niger. À la fin de, de la campagne qu'ils avaient menée, ils ont parlé de 1000 djihadistes qui ont été tués à l'époque déjà, on avait euh, beaucoup avaient euh, remis en, cause ce chiffre. Récemment, on a dit que beaucoup de, de, bandits de Boko Haram ont péri dans la prison au, Tchad. Euh, je me demande si ça n'a pas fait beaucoup plus un effet d'annonce que pour résultats auxquels on s'attendait aujourd'hui. Et ces mêmes activistes de Boko Haram, qu'on supposait morts, ne sont pas morts et ils sont ils, étaient peut-être au Niger ou au Nigeria ceux qui sont revenus et ils attaquent, ils ont attaqué récemment le Niger. Je me demande vraiment si ça, a été ça a eu l'effet escompté ou bien ça n'était pas juste euh, euh, un, effet d'annonce ou un effet politique pour, pour débit. Selon un communiqué du ministère nigérien de la Santé, depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus, le 19 mars dernier à la date du mercredi 6 mai, les autorités sanitaires ont recensé deux cas à Difa, trois cas à Maradi, quatre cas à Agadez et à Tilaberi, 13 cas à Dosso, 15 à Tawa, 46 cas à Zender et 683 cas à au plan national, on compte 770 personnes infectées au Covid-19 euh, sur 3195 personnes testées, parmi lesquelles 38 euh, euh, décédés, 171 en cours de traitement et 561 guéris. Que peut-on retenir ou dire au sujet euh, de ces chiffres du ministère euh, nigérien de la Santé publique Déjà, je pense qu'il faut euh, féliciter et encourager le personnel soignant, puisque depuis un certain temps, on, se rend compte que qu'on a plus de, de guéris que le nombre de malades. À un moment, on avait critiqué la gestion et la communication autour de, la gestion de cette maladie. Aujourd'hui, on se rend compte que ça va, même s'il y a des cas de nombre chaque jour on a des gens qui sont guéris, qui s'en sortent bien. C'est une maladie qui n'est pas létale, c'est ça qui est bien. Et de notre côté, et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, presque euh, toutes les régions, y compris DIFA qui, il y a deux jours encore, n'avait pas de cas, toutes les régions aujourd'hui ont, eu ont des cas. Et c'est ça qui n'est pas bien, ça veut dire que la maladie a gagné. Et toutes les régions. ça veut dire que l'isolement de la ville de Niamey n'a pas apporté ses fruits. ça, les gens en ont parlé un peu partout. Les gens rentrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent de la, de la ville de Niamey. Ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on prenne des, des mesures vraiment draconiennes pour qu'on qu'on arrête cela. Mais le problème, c'est que eh, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne croient pas. vous voyez, aujourd'hui, après Niamey, c'est Zender qui vient avec 44, 46 ou 48 cas comme vous l'avez dit. Mm. Donc, euh, tout à l'heure même, je parlais avec euh, un ami. voilà, je parlais avec un ami. Il dit, bon, bref, il y, a des gens qui, croient encore, il y a des gens qui ne croient pas. Mais il y en a euh, beaucoup, comme à Kano, par exemple, qui sont frontaliers, qui ne croient pas, qui disent que non, c'est toujours une importation des Blancs, c'est des choses qui n'existent pas. On veut les empêcher d'aller prier, on veut les empêcher d'aller vaquer à leurs occupations. je crois qu'on doit encore et toujours euh, maintenir la pression, les barrières, il faut encore continuer à... Les les voilà, il faut qu'on continue sur la communication pour que les gens comprennent que oui, la maladie existe encore, même si elle est en train de, de, partir avec le nombre de guéris. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention, il faut... Euh, même pas se préserver, mais préserver aussi ceux qui sont en face, sa famille, ses frères, ses soeurs, son entourage, et pour que cette maladie ne fasse pas comme on le voit aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe euh, en Europe, quand vous voyez aux États-Unis, en Russie, et c'est extrêmement grave, même si par exemple en Europe ils sont en train eux aussi de, ils ont connu le pic de la maladie. Nous, on a, a-t-on connu ou pas le pic On ne sait pas parce qu'on on ne nous parle pas de de ça Si, si on n'a pas connu, quand est-ce qu'on va connaître le pic de la maladie Qu'est-ce qu'on doit faire On ne sait pas encore. Donc, c'est pour ça que et quand les gens parlent, disaient que les Européens parlent trop, ils alarment les gens, il y a trop de psychoses. Je pense que des mesures ont été prises, on a informé les gens il faut vous confiner. À tel moment, on va connaître le pic de la maladie. Et aujourd'hui, on se rend compte que graduellement, c'est en train de baisser. Et c'est une bonne chose. Nous, il faut qu'on nous dise est-ce qu'on a atteint le pic de la maladie, sinon quand est-ce qu'on va atteindre le pic de la maladie et qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on se préserve et préserver les autres. Mais moi, ce que je veux dire le plus, c'est vraiment félicitations aux agents de santé qui, malgré toutes les difficultés qu'elles rencontrent, sont en train de faire un énorme boulot. Hassan Boukhar, ces résultats, selon l'Institut national de la statistique, euh, obtenus euh, dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, classent le Niger parmi les quatre premiers pays africains euh, enregistrant le plus fort taux de guérison en Afrique. quelle est votre opinion à ce sujet? la guérison, ça, ça renvoie justement à toutes les démarches qui ont été faites pour amener les gens à guérir. Sur ça, on n'a pas les démarches. <laughs> Oui. les produits utilisés. voilà. Euh, non, je veux dire, officiellement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Il y, a, la chloroquine, tout le monde dit la chloroquine. Puis il y a, comment ça s'appelle, ces médicaments malgaches. Covid il, organique. Il y, a, ça. Pour l'instant, il n'y a pas de médicaments nigériens. C'est-à-dire que le, le fait que ça guérisse vite, alors ça nous place, euh, peut-être que c'est notre système immunitaire, hein. euh, je n'en sais rien, puisqu'on ne, on ne dit pas beaucoup sur ça. Puisqu'il n'y a pas un secret aujourd'hui développé par le qui fait qu'on est performant dans la guérison. On ne dit il n'y a pas de euh, communication. C'est voilà. pour guérir. Voilà. Mais la seule chose qu'on dit, la chloroquine, je pense qu'un peu partout, ce protocole, c'est ça qui est utilisé sur le continent. Donc tout le monde utilise la même chose. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle nous, on fait partie de ceux qui guérissent le plus vite Je Je pense qu'ici aussi, on avait douté un moment. On avait dit, mais alors, pourquoi pas de guérison Pourquoi c'est là Dans ce studio, on avait dit, mais comparé au Sénégal, ici c'est là, ça ne guérit pas vite, etc. Alors, tout d'un coup, on voit que ça guérit. On ne sait plus, est-ce vraiment le système immunitaire des gens parce que de plus en plus les scientifiques parlent des zones dans lesquelles les gens sont exposés au paludisme et qui ont des traitements permanents sur le paludisme, que ce soit la chloroquine ou d'autres types de, traitements. Vous avez des scientifiques qui pensent que ces produits ont des effets contre le, contre le virus. Alors, est-ce que c'est lié à ça Mais sinon, c'est difficile de dire pourquoi nous, on n'est plus performant. Je pense qu'il n'y a pas de, de, performance. Moi, je crois beaucoup plus peut-être au système immunitaire des gens. Les gens Parce que l'organisme, la première machine, c'est vraiment l'organisme. Hein. Dès lors qu'on utilise la chloroquine comme tout le monde, oh, on est censé avoir presque les mêmes effets que, que, tout le monde. maintenant, maintenant y que les gens guérissent, c'est quand même une très bonne chose. C'est une bonne chose, à mon avis. Euh, bon, euh, mais, mais, disons aussi que de tout temps, on a dit quand même euh, que dans les pays d'Afrique où la population est très jeune, probablement que la maladie n'aurait pas beaucoup de conséquences, comme le cas en Occident qu'Erofay a cité. Or, nous sommes le pays le plus jeune, ou l'un des pays les plus jeunes au monde. Si on doit citer les pays les plus jeunes, nous sommes ou le plus jeune ou le deuxième pays le plus jeune au monde. Alors, est-ce que ça a joué Je n'en sais rien. Mais en tout cas, à mon avis, euh, on utilise le même protocole que les gens, et donc il faut peut-être euh, analyser davantage si on considère qu'on a un taux de guérison, et c'est tant mieux pour, pour les Nigériens. Vous avez tout un débat, hein. certains il y en a, comme Rufaï l'a dit, des qui ne croient pas que la maladie existe. Jusque-là Voilà. Il y, en a qui croient qu'elle existe, mais qu'elle n'a pas l'ampleur qu'on lui donne. Mm-hmm, mm-hmm. C'est-à-dire que ce n'est pas Ebola, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà. Vous avez beaucoup d'appréhension autour de ça. Mais à mon avis, il faut aussi faire un débat éclairé. Hein. Le fait que les pouvoirs publics considèrent que non, ne faisons pas de débat, ça et là, c'est dangereux et faites ce qu'on vous dit, peut-être que ça, n'épuise pas le débat. Il faut aussi laisser les gens discuter. Moi, moi encore une fois, j'aimerais bien que euh, tous ces personnels de santé mobilisés, qu'ils parlent aussi des cas qu'ils ont en face d'eux. À Niamey, il y a eu 600 cas. Quel est aujourd'hui le retour du personnel de santé sur la guérison Vous venez de poser la question. Comment les gens ont abordé Comment les gens réagissent Est-ce que les mêmes signes qu'on voit en Occident Est-ce que les gens développent les mêmes signes Est-ce qu'il y a d'autres choses nouvelles Mais le personnel de santé est totalement mieux et le gouvernement fait totalement, prend en otage la communication. Or, la communication, c'est à la fois les pouvoirs publics qui prennent des décisions, mais aussi le personnel qui l'applique. Est-ce que vous entendez d'autres personnes en dehors du ministère de la Santé C'est mauvais selon vous. pour moi, la communication, elle est totalement prise en otage. Il faut que les citoyens puissent, en particulier les personnels de santé, ils sont qualifiés, pour dire voilà ce que nous constatons, voilà ce que nous voyons, faites attention. À ce... Ils sont, ils doivent pouvoir communiquer. Rapidement. Les quatre cas qu'on a, qu'on eu à Arlit, c'est Arlit, n'est-ce pas mhm. euh, Il paraît qu'on les a trouvés sur place. Ils n'ont euh, ils n'ont été contaminés par personne. C'est sur place qu'on les a eus. Vous voyez donc, comme l'a dit Abba, euh, quand vous voyez ce qui se passe par exemple euh, en France en termes de communication, euh, c'est vraiment incroyable. Quoi. Même si on a mis la psychose dans la tête des gens, mais à force d'en parler, les gens ont, fini par oublier. On les a confinés, certes, mais ils ont compris ce que c'est que la maladie, comment ils vont l'éviter. Et tout le monde a compris à un moment, parce que même les personnels soignants ont parlé, tout le monde a compris à un moment comment cette maladie peut venir et passer. Garé Amadou, comment expliquer cette progression du nombre de cas confirmés de la maladie du Covid-19 à l'intérieur du pays, notamment à Zender, qui totalise 46 cas confirmés à la date du mercredi 6 mai dernier il y, a deux explications en réalité. La première explication, elle a été donnée par, par Hassan Boukar, c'est le fait que effectivement, il y a vraiment des échanges entre les localités nigérianes et, la région de Zender, comme toutes les régions d'ailleurs qui sont une frontière avec le Nigeria. Euh, la deuxième explication, c'est que en réalité, il n'y a pas encore une grande prise de conscience de la réalité de la maladie au niveau de cette région-là. Parce que les informations qui nous proviennent, disent que en fait les gens euh, ne respectent pas les mesures qui sont édictées. on n'a pas pu vérifier, mais peut-être que c'est cette, euh, faute euh, excusez-moi du terme, cette indiscipline qui peut permettre, peut favoriser la prolifération de la maladie. Mais une fois de plus, cette maladie, elle est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse. Je crois que d'abord, L'exemple le plus, le plus clair, c'est que l'économie mondiale aujourd'hui est atteinte. Mais c'est pourquoi le déconfinement, là, les États sont en train de, décréter, ce n'est pas de décréter de cœur. Ils savent très bien les risques, si vous comprenez. Mais les économies sont pratiquement à Cette maladie est extrêmement dangereuse. Elle menace l'humanité. Les gens sont en train de mourir. Euh, vous avez vu, euh, par exemple, au niveau du Ghana, le premier jour de confinement, 270 cas en Donc, vraiment, il ne faut pas que les gens blaguent avec cette maladie-là. Il faut multiplier les campagnes de sensibilisation. C'est vrai qu'il faut améliorer aussi la communication, n'est-ce pas et euh, impliquer les agents de santé pour qu'ils puissent intervenir sur les zones des médias, expliquer les problèmes auxquels ils font face et voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Vraiment, c'est ça qui peut permettre d'améliorer la situation. Mais une fois de plus, je le dis, tant que on ne multiplie pas les campagnes de sensibilisation au niveau des régions, en mettant en contribution les chefs religieux, les chefs coutumiers, euh, la campagne de sensibilisation va se voir. Vous savez, euh, en réalité, le tableau qu'on est en train de dresser n'est peut-être pas la réalité. Je vais vous donner un exemple très précis. Hier, le ministère burkinabé des Affaires étrangères a fait un communiqué pour dire que voilà tel nombre de cas, voilà tel nombre de cas, et qu'il y a 38 cas qui sont importés. Ils ont précisé que les 38 cas viennent du Niger. Et selon les informations qu'on a, ce sont des étudiants qui étaient ici qui sont rentrés au Burkina. Donc, si vous voyez, en réalité, chaque cas infecté a déjà infecté plusieurs personnes. C'est théorique, bien sûr. Mais ces étudiants-là qui étaient, si c'est des étudiants, si c'est confirmé que c'est des étudiants, qui étaient ici, on imagine combien de personnes ils ont été contaminées. Vous savez, on dit qu'il y a des porteurs sains. Ils ont la maladie, mais qui n'est pas déclaré. Il s'agit maintenant de faire en sorte que cette campagne, La campagne de dépistage. Oui, la campagne de dépistage, vous savez, ça, coûte très cher. Même en France, ils n'arrivent pas à faire le, dépistage euh, systématique et général. Vous comprenez Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait C'est quand des gens ont des malaises, ils se présentent, on dépiste ou bien quelqu'un est décédé, on décide. Et ça, tout le, le, de la qu'on fait, c'est comme ça. C'est pas qu'on euh, part dans un quartier, on dit, bon, écoutez, on va euh, dépister. Non, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est en fonction des cas qui se prennent. Vous comprenez Mais ce que je dis c'est qu'on euh, on doit quand même, en tout cas, trouver les moyens d'abord pour, permettre à ce que ce dépistage puisse être plus, plus général, mais surtout, continuer les campagnes de sensibilisation. Moi, ce qui m'a choqué, ce sont ces, laissez-passer là qu'on a dit à à travers au niveau de gamins. Et qu'on a fini, on dit que Niamey est fermé, et puis qu'est-ce qu'on a fait Non, non, on dit non, non, il faut aller chez le gouverneur, il doit le laisser passer. Comme ça, même en dehors des gens de couvre-feu, pas qui peut circuler. Non, c'était une erreur. Et là, c'est ce qui a fait que les gens même à partir de Niamey, ils pouvaient aller jusqu'à Difa, tranquillement, parce qu'ils ah, avaient des laissés passer. Et donc, ça a pratiquement annulé le, confinement de Niamey. Tout à l'heure, j'ai vu que quand vous parliez du médicament malgache, j'ai vu que vous, avez, euh, vous étiez en train de rire. Non, il ne faut pas rire. C'est justement ce comportement-là qu'il ne faut pas adopter. C'est-à-dire que le médicament malgache, il ne faut pas s'en moquer. Ce n'est pas parce qu'on dit que non, c'est malgache. Dès que vous en parlez, vous commencez à rire. Comme si c'était un médicament d'un sorcier. Non, il faut qu'on prenne au sérieux ce que nous, nous pouvons faire. Moi, ça me fait rien Moi, je prends très au sérieux le médicament malgache. Il ne faut pas qu'on soit dans une posture d'afro-pessimisme dès qu'on dit oui, oui, ah c'est un médicament de Dakar. Non, il ne faut pas rire. Prenons-nous au sérieux ce médicament-là. Et si on, a eu de, on a eu de, de, l'eau, on va essayer de les utiliser et puis on va voir ce que ça va donner. Au Madagascar, ils disent que ça, en tout cas, ça marche très bien. N'oubliez pas, c'est un médicament africain. C'est pas c'est pas parce que c'est africain qu'on va considérer à, euh, le prendre en dérision. Non. J'ai dit donc, vraiment, en tout cas, il faut multiplier les efforts. Comme l'ont dit tous les, mes, amis sur le plateau, la communication, elle doit être améliorée. La campagne de sensibilisation, elle doit être améliorée. La campagne de dépistage, améliorée. Mais vraiment faire en sorte que les mesures édictées soient respectées. Mais moi, je suis contre le déconfinement brusque pour suivre la mode qui est en la, de la sous-région. Non, non, non. Moi, je suis contre. Moi, je pense qu'il faut maintenir un peu la vigilance. Le moment n'est pas arrivé pour qu'on fasse le confinement. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce dimanche 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse proclamée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, euh, placée cette année sous le thème Le journalisme sans crainte ni complaisance. Garé Amadou, selon vous, quelle est la particularité de l'édition 2020 de la liberté de la presse au Niger et ailleurs dans le monde Cette célébration est intervenue quelques jours après la publication du rapport, du, rapport de Reporters sans frontières, vraiment qui, qui, montre les progrès réalisés par le Niger. Le Niger qui est le dixième pays en Afrique, n'est-ce pas, et qui a fait un bond en avant fulgurant. C'est vraiment, il faut se réjouir que malgré tout ce qu'on peut dire, euh, au Niger, ça même, il y, a une certaine, il y a une certaine liberté de la presse. Quand on voit le ton de certains médias, quand on voit la liberté avec laquelle, la liberté de ton, vraiment, on peut dire qu'au Niger, il y a une liberté de la presse. Et aujourd'hui, heureusement, il n'y a aucun journaliste nigérien en prison, à ce que je sache, bien sûr. Et, les journalistes, bien sûr, il y a une sorte de. Euh, ils vont considérer qu'il y a une pression euh, au niveau des impôts concernant les organes de presse. Mais je pense que l'exercice de la liberté, en tout cas de, l'exercice de la profession des journalistes au Niger, vraiment n'est pas à comparer à certains pays. Quand on voit dans certains pays comme le Ghana, où euh, l'année passée, un journaliste avait été tué, mais le pays était quand même plus classé que le Niger on avait été choqué par ce, cet état de fait. Quand on voit de certains pays, euh, de occidentaux, Malte par exemple, où une journaliste a été assassinée, eh bien, on se dit que vraiment dans notre pays, encore ça va. Bien sûr, il faut garder la vigilance, mais je pense que euh, la liberté de la presse solidaire, elle, elle se porte bien. En Afrique, dans certains pays, elle laisse à désirer. Merci Gare. On va donner la parole à Hassan Boukara. Hassan Boukara, la journée euh, internationale de la liberté de la presse 2020 euh, coïncide aussi avec la publication, euh, comme Gare a, eu à le dire, le 20 avril dernier par, par Reporters sans frontières, RSF, du classement mondial de la liberté de la presse. Dans ce classement, le Niger a gagné 9 points passant de la 66e place dans le classement en 2019 à la 57e place en 2020 sur un total euh, de 180 pays étudiés. Faut-il s'en réjouir, à euh, Hassan Boukar Oui, peut-être qu'il faut s'en réjouir. Moi, quand je lis ce rapport de Reporters sans frontières, je dis simplement que par rapport aux éditions passées, ce qu'on n'a pas vu en 2020, ce sont ces images totalement inacceptables qu'on a vues les années passées des images de journalistes prises à partie par les forces de sécurité devant les caméras, qui portent des coups à des gens qui sont là pour faire leur travail. Ces images de journalistes prises à partie parce qu'ils sont là simplement pour couvrir des manifestations estudiantines ou de la société civile. On voit bien, ces images-là sont assez récentes et ces images ont contribué à réunir l'image euh, que le Niger a voulu donner de lui-même en matière de liberté de la presse, euh, montagne de la table et tout ça. Donc, euh, alors aujourd'hui, on peut dire que euh, dans un passé récent, on n'a pas vu ces images-là. Pour moi, à peu près ce qui a changé, c'est ça. Mais le reste de la réalité reste la même. Euh, je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas de journalistes en prison. Il y a même si c'est pas pour dans le cadre de son travail. Voilà. Donc, mais je veux dire, je veux dire que euh, par rapport à la notion de la liberté, il ne faut pas seulement la réduire au fait que des journalistes soient interpellés, qu'ils soient en prison ou non. La liberté de la presse dépend de beaucoup d'autres euh, facteurs, notamment les facteurs économiques par exemple, la capacité des médias à être autonomes vis-à-vis de tous les pouvoirs, pas seulement des pouvoirs politiques, mais aussi des groupes d'intérêt, des pouvoirs financiers et tout ça. Il faut que les médias soient véritablement indépendants. Euh, à mon avis, il y a tous ces facteurs qui font le pouvoir public aujourd'hui pour renforcer l'autonomie des, des, médias, l'indépendance des médias, etc. À mon avis, il y a tous ces, tous ces éléments. Alors, par rapport à ça, je pense que c'est un débat qui est très long, que les médias ont l'habitude de faire le 3 mai et en d'autres occasions je n'ai pas l'impression que des choses ont changé. Certes, il y a le fonds d'aide à la presse qui est censé aider les médias, euh, autour desquels il y a tout un débat d'ailleurs que les, que les médias posent. Mais au-delà de ça, je n'ai pas l'impression qu'il y a aujourd'hui des mesures particulières qui sont prises pour aider les journalistes vraiment à aller vers une véritable euh, liberté. Euh, en ce qui concerne ce que le pouvoir public aurait pu faire. Mais au-delà de ça, moi, je pose aussi la question, par exemple, aujourd'hui, de la formation, la qualité des ressources humaines dans le secteur des médias, l'accès aux ressources à travers la publicité ou autre. Toutes ces choses-là, elles ne sont pas suffisamment réglementées. Euh, la question de la rémunération du personnel. À mon avis, il y a un ensemble de facteurs qui peuvent concourir à une véritable euh, liberté de, de la presse au-delà des actes que les pouvoirs publics posent. Et donc, euh, voilà, mais ce débat, pour moi, ça reste, ça reste entier. Euh, donc, euh, ce que j'ai vu des pouvoirs publics et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que le Niger a progressé, peut-être que le pays n'a pas été véritablement mis à l'épreuve. Parce qu'il faut mettre à l'épreuve est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a les mêmes manifestations telles qu'on a vu de la société civile des étudiants et que les journalistes soient très actifs dans la couverture, est-ce que les mêmes causes auraient pu produire les mêmes effets Par exemple, je me pose la question. Euh, dans ce rapport, RSF se félicite euh, du fait qu'aucun journaliste, qu'aucun citoyen, aucun collaborateur n'ont été tués au Niger, contrairement à ce qui se passe dans certains pays. Comment l'expliquer Justement, moi, je me, Rapidement. je me demande sur la base de quoi RSF fait ses classements c'est comme on a comme l'impression que c'est très euh, euh, euh, réducteur quoi. Le, classement de RSF se fait juste entre relations presse et, pouvoir public. Quand vous regardez, par exemple, même au sein de la corporation, aujourd'hui, je me demande, prenez juste les revues de presse des, des, tous les organes de presse. Tous les revues de presse sont euh, guidées vers une tendance. Le journaliste lui-même n'a pas la liberté le journaliste, par exemple, qui fait une revue de presse n'a pas la liberté de prendre les journaux qui lui semblent importants de donner au public. Donc, même au sein des rédactions, eh, et l'information qu'on doit donner au public, on la cache. Vous prenez tous les, toutes les revues de la presse, c'est presque la même chose ici à Niamey. Ça veut que même au sein de nous, journalistes, on n'a pas cette indépendance, on n'a pas cette liberté de faire notre métier. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans une rédaction où le journaliste a la liberté ou l'indépendance de parler comme il veut dans sa rédaction. Même les débats contradictoires, qui se font, on ne les fait pas. Tu ne peux pas te lever dire à ton patron ce que tu penses de la gestion euh, de la rédaction. Aucun journaliste ne peut le faire. Et c'est là où je suis d'accord avec euh, cet acteur, euh, je crois que c'est un humoriste français qui disait Moi, le jour où je croirai à la liberté de la presse, c'est le jour où le journaliste va se lever dans sa rédaction pour dire à son patron que ça ne va pas dans la rédaction. Moi, je ne crois pas à la, à, la liberté de la presse déjà. On peut tuer un journaliste, on peut tuer deux journalistes si, comme l'a dit Abba, les, les, les, les groupes financiers n'influent pas sur ce qui se passe dans les, dans les médias, si les journalistes sont bien formés, bien rémunérés et qu'ils peuvent dire, ils peuvent faire ce qu'ils pensent comme étant euh, le journalisme pur et dur, comme c'est presque le thème de cette année, si tous les journalistes peuvent le faire, moi je, peux parler de la liberté de la presse. Mais aussi longtemps qu'on va continuer avec ce qui se passe aujourd'hui, avec les journalistes qu'on a sur le terrain, qui ne sont pas bien formés, qui ne savent pas quelle information donner au public, quelle information traiter, comment la traiter, comment la donner au public, moi je pense que le classement de RSF peut nous mettre premier devant tous les pays du monde, moi je ne crois pas à la liberté de la presse. Voilà, nous sommes au thème de ce forum du Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Boukar de la radio alternative, euh, Garé Amadou du quotidien La Nation et Rufai Dandoua, journaliste indépendant. Merci aussi à tous les auditeurs euh, pour votre fidélité au programme du Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le, programme Jeune d'Issidio Kalangou sur les radios partenaires. Il sera suivi samedi du forum à sur le thème euh, les voies de recours euh, pour porter plainte en cas d'abus des forces de défense et de sécurité et dimanche le forum en Zarma sur le thème mariage des enfants au Niger en pleurs et voies de recours. Euh, merci aussi à la technique assurée par la Issa et côté vidéo Adama Merci, au revoir.